l'alimentation électrique des de chantier et, de ces installations est assurée par une centrale thermique d'une capacité de 9 MW pour assurer, une autonomie d'énergie en face de coupures parce que ces installations sont lourdes à faire tourner et si on aura une à coupure, donc on aura besoin de deux jours pour relancer la production. On a besoin, euh, pour la station de traitement de matériaux, on a besoin d'un million cinq cent mille mètres cubes de, des agrégats. C'est le barrage, elle est, est, est, est un barrage mixte, c'est-à-dire c'est un barrage en béton épaulé par des digues en terre. On a 400 000 mètres cubes de béton à mettre en place en, trois ans. Et on a un volume de, des digues en terre euh, d'environ 4 500 mille mètres cubes. Donc la digue, elle fait 8 km à partir du barrage en béton. Le barrage en béton, quant à lui, il fait 1 km de long. Et c'est le, barrage en béton qui va servir euh, pour, porter les organes de, contrôle du, barrage. Je parle notamment des équipements hydromécaniques. Juste à la base du barrage, on a, l'usine hydroélectrique. Il s'agit de 4, 4, turbines euh, type Kaplan et elle, permet, elle permettra de produire 130 euh, MW avec une production annuelle de 630 GWh.